recevons euh, sept imams qui ont été en pour une formation intensive sur l'islam. Nous les avons reçus aujourd'hui en présence des imams de la commune de Touane-Pognac, des délégués de quartier, des conseillers, des notables, pour euh, magnifier euh, leur présence et vulgariser au sein de toute la collectivité les connaissances qu'ils ont eu à apprendre euh, au niveau de l'Égypte. C'est un fait nouveau chez nous parce que c'est la première fois que des imams sont envoyés en Égypte pour une formation. Ils sont restés là-bas deux mois, deux mois où ils ont appris, ils ont découvert beaucoup de choses dans l'islam, le Coran. Et nous avons donc estimé que nous devions aujourd'hui euh, être euh, en communion avec eux tous pour pouvoir faire profiter au maximum à cette population des connaissances qu'ils ont eu à apprendre au niveau de l'Égypte. Euh, est majoritairement composé de, musulmans. Quelles sont les actions de la commune concernant l'apprentissage du Coran dans votre commune alors c'est important de, venir sur ce point parce que vous savez que nous n'avons pas pour mission euh, d'apprendre le Coran aux populations nous avons, d'autres missions euh, euh, euh, qui sont aussi importantes, mais nous participons énormément à l'apprentissage de l'islam et du Coran dans la collectivité de Touane-Polignac. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que avec la présence de ces sept imams qui ont été en Égypte pour approfondir leurs connaissances, nous venons de poser un acte important dans cette éducation que vous venez de nous demander. Mais au-delà de ça, euh, à la rentrée scolaire, nous aidons les daras, qui sont des lieux d'apprentissage de Coran. Nous aidons énormément les enfants qui sont dans les daras. Et euh, nous essayons aussi, au-delà de tout cela, euh, participer à travers les mosquées à des événements religieux, des conférences religieuses où la population, à travers ces manifestations, peut améliorer, euh, pour ne pas dire euh, augmenter leur connaissance en termes euh, de religion. Donc nous estimons que c'est son tout. Et je ne dirais pas aujourd'hui que nous bouclons ce process, mais je dis aujourd'hui que c'est quelque chose qui est très présent dans les activités de la collectivité au niveau de toulon pognac ci wolof ci wolof monsieur le maire nga ñëwaat ci bi leen dajale tey. waaw salaamaaleykum Isidore maa ngi lay sant euh, di la gërëm ci taxawaay bi presse bi am fii ci commune Tivaouane Peulh-Niaga di gërëm sunu kilifa imam yi fi nekk di gërëm bu baax tey euh, euh, imam yi nga xamante ne si ñoom ñoo demoon Égypte muy juróom-ñaari imam jàngi fa xam-xam xam-xam boo xamante ne si tey dañ koy tasaare. ci imam yi nek ci commune bi yépp mën naa ne sax boo ëllëgee ci imam yi nek Sénégal gi yépp kon tey mbégte la ci ñun kilifa yi muy conseil municipal bi muy délégué de quartier yi muy yeneen imam yi fi nekk teeru leen waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom ba xam-xam bi nga xamante ne si moom lañ fa jëlee ñu mun ko euh, bànneexoo ñun ñëpp liñ ci jàpp nag mooy sunu xol sedd na bu baax a baax ndax taxawaay bi nga xamante ne si imam yi dem Euh, am nañ ko fa taxawaay boo xam ne ràññee nañ ko bu baax a baax ambassadeur Sénégal bi nga xam ne mu ngi Égypte rafetlu na ko ndax nee na leen yéen ci mbirum xam-xam mooy moo jiite ñëpp te Euh, loolu su ma waxee moo jiite ñëpp euh, xam ngeen su ma bëgg a waxee mooy euh, terre la boo xamante ne si lislaam lu bare dafa soqe ko ba nga xamante ne si njëriñ bu rëy dafa am kon tey bu fekkante ne imaam yooyu dem nañ jële fa xam-xam dem ñu jël leen jiital leen foofu ba rapport bi nga xamante ne si moom lañ soxla woon tax ñu dénk leen ko pour que ñu def ko jàpp naa ne ñu yóbbante woon foofu ay imaam yu mat la imaam su ma waxee imaam yu mat la mooy imaam diggante imaam yi yi nga xamante ne si ñëwoon nañ fa liñ ci jàpp mooy xam-xam boobu ñu jëlee foofu tey jël nañu engagement tasaare ko ci imaam yi nekk ci commune Tivaouane Peulh Niaga ba xam-xam yooyu doomu aadama yi fi nekk yëpp mën ko jëriñoo moo tax tey ma ne suñu xool sedd na euh, boo leen ko xoolee euh, euh, mbooloo bi fi nekkoon kilifa yi fi toogoon wane na ko kon sant nañ yàlla li nga xamante ne si mooy xéwal bi ñëw ci commune Tivaouane Peulh